bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Vous qui nous écoutez de Zender, Maradi, Dosso, Tawa, Agadez, de Tilaberi, Niamey et Difa, Barkankoura ou comme celle d'hier, cette émission vous garantit également une bonne ambiance. À la présentation, c'est Rabia Mekano et je suis avec Ali Munkaila Ousseini dit Seino. Comment vas-tu Seino ce matin Je vais super bien Rabi. Alors, euh, quoi de neuf, ça va de ton côté Ouais, ça va, super. Bien un peu fatigué, ouais, mais ça va. <laughs> Alors Rabi, euh, qu'avons-nous au menu euh, ce matin c'est nous dans cette édition, nous aurons le flash d'information comme d'habitude et nous aurons les échos de l'ambiance dans les différentes régions grâce à nos correspondants. Restez câblés. Eh bien, ce n'est pas fini, Rabbi. Hein. Rabi. Ce matin, nous recevons comme euh, invité un de nos artistes qui évolue dans la musique depuis plusieurs années aux États-Unis d'Amérique. Il nous parlera de ses débuts dans la musique et de son parcours. Chers auditeurs, accueillons ensemble Rafika Ataher qui nous vient avec le flash. Rafika, bonjour. Bonjour Adi, comment tu vas Ça va bien. Bonjour Sénon. Bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles Alors, pour ce matin, bientôt la reprise des activités de la Société des mines d'Azélique. Hier, le, la ministre nigérienne des mines, Madame Hussein Hadizatou Yakuba, et le PDG de la compagnie nationale d'uranium de, de Chine, Monsieur Xing Yuguo, ont signé un protocole d'accord qui porte sur l'étude de la faisabilité de la reprise de Somina, le renforcement des capacités du personnel du ministère des Mines et le projet électronucléaire, la production de l'électricité à base de l'uranium. Notons qu'à l'occasion de la cérémonie de signature du, du présent protocole d'accord en présence de l'ambassadeur de Chine au Niger, M. Zheng Feng, il a rappelé les bonnes relations de coopération et d'amitié qui existent entre la Chine et le Niger. Ensuite, euh, pour sa seconde sortie des phases de poule de la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, le MENA Espoir du Niger a battu hier 28 juin 2023 les Panthères Espoir du Gabon sur le score de 1 à 0. Le but nigérien était intervenu à la 59e minute du jeu suite à une faute commise par le défenseur gabonais sur le joueur Rahim Alassane Bonkano, synonyme de penalty transformé par le capitaine de Mena Espoir Moumouni Darankoum. Ce léger avantage a, a été bien géré par les poulains de Zakariaou Ibrahim jusqu'à la fin des 90 minutes réglementaires et les 5 minutes du temps additionnel. Ainsi, le Niger se partage la tête du groupe avec les au même nombre de points, 4 et différence de 1 but pour chacune des équipes. Le Niger retrouvera en troisième journée le 1er juillet au stade de Rabat l'équipe malienne battue cet après-midi par les Pharaons Espoirs d'Égypte sur le score de 1 but à 0. Et enfin, dans ce flash d'information, dans le cadre du projet Village intelligent, les autorités nigériennes envisagent le lancement d'une campagne de subvention des terminaux de paiement électronique selon l'Agence nationale pour la société de l'information ainsi. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif global du projet d'accroître l'inclusion financière et d'améliorer le bien-être des populations et promouvoir la numérisation des paiements auprès des commerçants, femmes et groupements de femmes ainsi que dans le secteur agricole. Ces TPE permettent d'encaisser les ventes en toute simplicité, de connaître à tout moment le statut de leurs ventes et d'éviter les vols ou pertes de billets liés aux transactions en espèces détaille l'institution rattachée à la présidence. Le projet PVI d'un montant de plus de 60 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale ambition de connecter quelques 2000 villages au Niger. Voilà pour euh, ce flash d'information de ce matin. Merci, euh, Rafika. cher auditeur comme annoncé tantôt, nous recevons ce matin l'artiste Hassan Boukari. Euh, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, Sanou. <laughs> <laughs> Mais avant de donner la parole à l'artiste Hassan Boukari, à tout seigneur, tout honneur, nous allons d'abord écouter l'un des titres de Hassan Boukari. Comme on le rappelle, fraîchement venu des États-Unis, hein, il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio. On écoute le titre Niger, un titre qu'il a composé euh, spécialement pour ce beau pays qu'il porte jalousement en lui, même euh, en étant euh, en dehors de nos frontières. C'est parti. al'umman mu guda ce al'umman mu guda ce ba mu hada ba bambance rayuwar mu ce tabba idan ka shigo nijar za tabbata cewa ka zo kasa mai <laughs> Vous avez promis de l'ambiance, hein Ah, mais oui. Il est là avec nous, vous, vous <laughs> l'entendez bien. Un Niger. 'yan Nijar. Ba mu haɗa ba bambance. 'yan Nijar. Hankalin mu shi ya ba mu. 'yan Nijar. Rayuwar mu ce ta ba mu. 'yan Nijar. Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa na tsaro. Haya. <laughs> Alors on est privilégiés là. Ah oui. Zabarmawa al'ummanmu. Hausawa al'ummanmu. Bare-bare al'ummanmu adamawa yan nijar ke ba mu haɗa ba bambanci ke hankalin mu shi ya ba mu rayuwar mu ce ta ba mu idan ka shigo Niger za ka tabbata cewa ka zo ƙasa arziki Ça, c'est de la bonne vibe. ouais, très belle chanson. Très belle chanson. barka bukari assalamu alaikum wa alaikum salam ina kwana lahiya lo. barka da zuwa gida barka da <laughs> an yi sallah lahiya dai ko mai sallah lahiya lo. to wannan wakar da ka rubuta waka mai ma'ana Ga <laughs> mai daɗi muna so mu sani kaman wana wacce wani message ne ka so ka yi que vous avez voulu faire passer à travers cette chanson to da farko dai zan ce ina godiya ga dukkan lokacin ma'aikata na wannan wato studio karangu mhm. babu shakka sai ya kamata a jinjina muku eh musamman da kuma dukkan wannan yunkuri domin abu ne wanda babu shakka kasar Nijar tana amfani da shi kuma kasashen duniya suna amfani da shi wannan gidan rediyo yana abin da ya kamata a yi na barin cewa an tabbatar da ci gaba na kasa musamman ma ga al'ummar mu da suke a karkara kuna waye mutane kai kuna abubuwa da dama wanda ya kamata da ɗan ƙasa ya kamata ya shi don ci gaba to muna jinjina zuwa ga manyan darakitoci na wannan gidan rediyo da kuma ɗaukacin ma'aikata baki ɗaya. mun gode sosai eh, da farko dai na zo nijar don in zo in ga al'umma na gida mun san kowace shekara biyu ina zuwa nijar in yi wasu aikace-aikace don taimakawa a ci gaba na ƙasa kuma wannan waka ta nijar kin san ba abin da ya muhimmanci a rayuwa musamman ma shine inda tushenka duk inda kake ka kamance gida gida gida ne eh. to duk inda ka tafi kowace riga ka ɗauka ka sa wannan riga ba za ta ga daidai da wuyan ka ba in ba rigar da aka ɗumka ba a ƙasar ka wato ana ce nan duk abin da za ka yi al'adunka kada ka manta shi mhm. nishar ƙasa ta ce na lalini ba amurke ne nishar sai amurken mhm. amma kuma nishar ita ce tushe na kenan bai kamata in mance da ƙasa ta ba a dukkan inda na ta yi to babu shakka shi yasa ne wannan waka da neman haɗin kan 'yan ƙasa don neman ganin cewa 'yan ƙasa mu ta nishar mu zama tsintsiya matsarman mu ɗaya mu zama cewa duk abin da za mu kawo mance wannan ƙasa ita ce mu me zai sa kasa ta ci gaba mi zai sa mu abinda za mu ganin cewa mun samu haɗin kai shi yasa na rubuta wannan waka kuma na yi kuma ta samu karɓa. Ah, gaskiya ta samu karbuwa ko a wajen mutum muna so mu sani yanzu on aimerait bien en, en savoir plus sur vos débuts dans la musique et surtout qui était Hassan Boukari avant la musique. <laughs> et to ba shi ka kun san eh um, avant la musique, j'étais journaliste. Je suis journaliste, donc ni un joli Dani. Oh. Et tout comme moi, avec un connu un <laughs> <laughs> Voilà, un confrère. waka abu ce wadda haka Allah kaddaro da ina ba ina ina shawar waka ta ina yaro karami na ce guri na shine zan babban star a cikin waka ta ina yaro oh, to kuma kun san duk abin da mutum za ka yi ah, yadda Allah tsara ka ga da nan imani haka ne zai kasance mm-hmm. ina so in yi waka ko kuma ina waka ne domin in ka gudunmuwa ta bisa kan yanayi daban-daban abin da ya kamata waye mutane kai don kun san waka ita ma wani bangare tana jawo hankalin mutane mm. to cikin wani tsari ya kamata a yi ta muna waƙoƙi ne bisa kan al'adu bisa kan haɗin kai na 'yan ƙasa bisa mm. kan zaman lafiya bisa kan abubuwa wanda ya kamata kowa a sha hankalin jama'a su fahimta ya kamata a yi da a samu a ci gaba a cikin rayuwa haka shi sani bunƙasa ga yin waka ina yi akan haɗin kayan ƙasa akan zaman lafiya akan inci musamman ma ku mata mhm. musamman ma a rika kula da mata <laughs> ah, da kuma yara ko <laughs> oh, da kuma zaman lafiya eh. da kuma wato kiwon lafiya da kuma al'adu da kuma abin da ya kamata wadda dace wajen harkar education to mhm. wannan duka muna shi a cikin eh, tsare-tsaren d'accord dans vos compositions euh, la langue Hausa et les danses traditionnelles sont vraiment mises en valeur Expl expliquez-nous le choix de ce style eto ka san dama um, da abin da zaka yi kamar na faɗi ka mm. kamance da gida ina waƙoƙi a amurka kamar da kai tambayar kenan um, al'adun da nake sawa a ciki da kuma musamman ma eh, raye-rayen da ake yi to madalla eh. na gida muna gani madalla amurka ƙasa ce tumbin giwa ƙasa ce akwai al'adu da dama a can ma mm-hmm. gane ko to kenan kuma eh kuma kowace ƙasa idan ta zo tana ba da al'adunta musamman ma kun ga akwai ƙasashen indiya akwai ƙasashen namun afirka daban-daban mhm. to na ce dan me idan a cikin abubuwan da nake ba na sa nima al'adunmu na ƙasa mu ta nijar dan amurkawa su sani to kuma da fara sai suka samu karɓa ƙwarai da gaske kin ga kenan al'adunmu na nijar muna raye-raye iri-iri kamar yanzu yamma yanzu yau fanda kayan wannan da mhm. muka yi eh. kun gane kama alon kunkum tsuwa ba kala eh. to duka irin wannan abubuwan suna ba su shawa musamman ma amurka eh, nasarun suna so su irin wannan rawa sa su irin wannan waka su iya waƙoƙin na taru na saru ne amma kuma sun iya waƙoƙin idan ku gani suna hausa suna zaromanci mm. to kinga abin ne wanda kamata kenan ni ma in raya in bada al'ada ta ni ma a san menene Niger musamman a kasashen namu to justement wannan rawar da muka gani est-ce que vous êtes le chorégraphe de ces pas de danse kuni ke koya amsoro ko ko wani gare ku da ke koya musu ko da mun kuni ne mai rawan dai eh to ke sa dama <laughs> a um, cikin ma karatun da nayi a study designer in uh, mm. choreography kama tsare-tsaren decoration na gidaje da kuma rawa da mm. kuma tuwahi yadda ake muka tuwahi da sauransu duka da ina ina yin su to rawar da nake choreography ne duka ne nake nake yin su kuma muna muna hada su idan kin duba kin akwai akwai Africa hip hop mm-hmm. R&B mm-hmm. ah, c'est vrai c'est mm-hmm. vrai super alors avant de continuer euh, chers auditeurs avec notre invité nous allons euh, marquer une petite pause musicale Rabi tu nous proposes quoi dans la playlist eh bien, c'est nous, comme notre playlist, elle est vraiment costaud avec des musiques des différentes régions. Nous allons monter en puissance par notre par ordre alphabétique pour nous rendre à Agadez avec le titre Imajaran. Imajaran. C'est comme ça Oui, c'est bien ça, c'est <laughs> Imajaran. Du baobab, de la musique de l'Aïr Bombino pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup. On va faire les premiers morceaux qu'on appelle Imajaran. Un groupe qui vient un peu partout, mais plus précisément au Niger. Tanumert. Thank you. Et eh oui, chers auditeurs, c'est sur cette belle sonorité musicale qui résonne au rythme de l'Aïr que nous allons retrouver notre correspondant depuis Agadez. Il s'agit bien de Moussa Maman. Bonjour Moussa. Bonjour, Moussa, ça va Ah, ça va bien. Et la fête Alhamdulillah. Bien fêté Alors, bien fêté aussi de votre côté Ouais. Super. Donc, bonne fête à, tous et à toutes. Merci, bonne fête à toi aussi. Alors, Moussa. J'espère que vous allez consommer avec modération. La ah viande Ça, c'est clair. Ah, <laughs> mais oui, ah, mais oui, ah, mais oui, parce qu'il y a des conséquences quand on abuse, bien sûr. Surtout, pour, le, pour, la journée d'aujourd'hui. Voilà. <laughs> Parce que moi, mon, ventre est en train de tourner déjà. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, cherche de la date. Tu as de la date chez toi. D'accord, d'accord. <laughs> C'est quand même la capitale de la date. En tout cas, on accompagne quand même avec ça. Ok, Moussa, alors dites-nous, ça se passe comment de l'autre côté d'Agadez Est-ce qu'il y a la distribution de la viande comme ça se passe dans les autres euh, régions ou bien comme ça se passe ici à Niamey de votre côté, c'est pareil aussi e- Effectivement, c'est pareil, ça aussi, parce que nous sommes à la hmm. deuxième journée. Mhm. C'est mhm. d'ailleurs une journée qui est consacrée spécialement euh, pour euh, la préparation, et euh, la, partage de la viande mhm. à des voisins, à des personnes qui n'ont pas pu faire cette tabaski, qui n'ont pas les moyens de, faire ça. Exact. voilà, on a pu partager la viande et les autres, une autre part aussi de la viande on a, on a, réservé pour euh, la, cuisson. Ok. Donc, euh, les, soyez, comme je l'ai dit hier. Ouais. ouais. de toute façon, tu prononces ça, la moussa. Hein? ah, ça, là, ça me plaît, parce que je suis en train déjà de goûter ça. Alors, bon appétit. <laughs> Merci. Alors, alors, Moussa, quand on parle d'Agadez, on voit également les chameaux. Est-ce que vous avez égorgé des chameaux ou bien c'est uniquement les moutons ah, ça aussi. Agadez, c'est une ville moderne comme Niamey, ça aussi. On ne pas, pas les chameaux. Hein. Voilà, on négocie quand même euh, presque les moutons, le Brésil, euh, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Ok, on voilà. merci, bien de nous donner les couleurs de comment ça se passe à Agadez. voilà. Je, profite quand même pour souhaiter bonne fête à, à tous les confrères. Ok. Merci. du studio Merci. Euh, particulièrement aussi euh, mes collègues de la radio Sahara FM. Ok les confrères d'Agadez aussi. Merci infiniment, Moussa. bonne fête. Bonne fête à, toi et bonne fête à tous ceux qui sont scotchés de l'autre côté d'Agadez. Retour au studio avec notre invité, du, jour. Il s'agit bien de Hassan Boukari, fraîchement venu des États-Unis. Mhm. Alors. Hassan Boukari, quelles sont les thématiques sur lesquelles, bon, c'est vrai, vous avez cité quelques-unes. Euh, Alors, mhm. dites-nous, est-ce que ça se limite seulement à ce que vous avez eu à citer ou bien il y a plusieurs thématiques que vous abordez dans votre musique et quelle, et quelles est vos influences musicales mmh, Vos influences musicales, voilà. quelles sont vos influences euh, abubuwan da musamman ma suka ba ni kuzari ko kuma suka ba ni cikakken ginshikin gudanar da wannan abun kamar da na faɗa shine in yi iya ƙoƙarin da zan yi na cewa na kawo ta don waye ma al'umma kai a cikin tsari daban-daban da muka duba muka gani ƙasar ta ta Nijar ƙasa ce wadda akwai al'adu da dama a ciki kuma ƙasa ce wadda jama'an mu suke rayuwa a cikin musamman ma natsuwa mm-hmm. to ya kamata kowane artist ya kawo gudunmuwar shi ta fannin waye ma mutane kai abin da ma ya sa ne shine kuzari shi ganin cewa ci gaba na mata da kuma yara ƙanana mm. musamman ma ɗiya mata mm. idan muka duba mu gani a ƙasar ta mu ta Nijar akwai matan wanda suke da kuzari kwarai da gaske ta fannin abubuwa daban-daban kuma yana buƙatar a samu musu a waye musu da kai musamman tsarin ya mace na harkar karatu kenan karatu abu ne wanda ya kamata ya mata su bunƙasa da yi su ba da musamman ma ƙarfin gwiwa kuma a waye ma mata kai bisa kan harkoki daban-daban musamman abin da su shahi yanayin zamani yanzu na harkar technology da sauransu ya akwai su waƙoƙi wanda muka huddo wanda za su ba mata musamman gurin fahimtar abubuwa daban-daban da kuma kira zuwa kasashen duniya kasashen washe da su su tallafa ma musamman ma mata na nijar don ci gaba a cikin al'adunmu to yana daga cikin abubuwan da suka ba ni kuzari na gudanar da wannan mm. wato abubuwan to ɗazu kun yi zancen a da waƙoƙin ku ke ba turawa sha'awa mm. inda kuke musamman ma a amurka mm. yanzu muna so mu san Il ya kuke ganin tahiyar musique au Niger mm. Comment vous voyez vraiment l'évolution de la musique nigérienne Et selon vous, de quoi elle a besoin pour rayonner mm-hmm. Voilà, comme votre musique rayonne vrai, <laughs> hors de nos frontières. <laughs> Mm. C'est vrai. Et kun sani ƙasar mu ta Niger ƙasa ce wadda take da al'adu iri-iri, mm. kuma ƙasa ce wadda ya kamata musamman ma magabata, musamman ma kuma al'umma a ƙara kuzari da kuma ba da goyon baya zuwa ga artiskin namu lalle akwai ci gaba da yawa wanda aka samu ba a ci ba a samu ba amma kuma ana buƙatar a samu karuwa akan ci gaba gurina shine ina so in ga artist Niger a dukkan manya-manyan tarika da za a yi festival international wanda forum na harkar culture international a ce Niger babu shakka ita mata tana kun gane ko muna da talante muna da gyara wanda suke suke abubuwa da dama wanda ya kamata a zo a gani muna da banda ma ba waka kadai ba akwai al'adu da dama akwai harkar art akwai harkar eh, dance da sauransu rere da sauransu abubuwa iri iri ya kamata a shi a gwada to akwai kuzari akwai zuciyayi amma kuma muna buƙatar taimako muna buƙatar ba da goyon baya muna buƙatar a kama ma artist da dama e, ma'aikatan namu da su kula da wannan suna yawo ƙoƙarin su mai a ƙara a ƙara don artist eh, yana son kurashi yana son a bashi kurash yana son a bashi taimako abin da ya dace da ya ci gaba da hudda sunan kasar ta Nijar musamman akan harkokin eh, al'adu an ci gaba da dama an ci gaba na gani kwarai da gaske kuma Amurkawa musamman America suna son al'adun Nijar mhm. suna so musamman ma dumke dumken namu mm. to na irin na agadas da sauransu eh. mhm. suna ba su shawa tuwaye irin na tuni zarma yadda suke wannan kanori duk al'adun namu dai mhm. suna ba su shawa kwarai da gaske mm. kina kiga abu ne wanda kamata a ci gaba da tallafawa kuma ka da kuraje ne il faut continuer il faut forcer il faut forcer eh da za Alors, quels sont euh, les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment et comment, euh, et comme nous sommes euh, presque à la fin de cet entretien, mm-hmm. est-ce que vous avez un mot à dire aux artistes nigériens qui nous écoutent sur cette émission -hmm. Oui a buku biyu suka kani a nan mhm. shayar masa ko in uku <laughs> na farko shine zuwan ga gida to mhm. kuma eh, na biyu shine kun san a kowace shekara biyu ina zuwa nan nijar mhm. ina tsare-tsaren wasanni don taimakawa ci gaba to a wannan karan na zo don in yi wani abu suka harkar education musamman la scolarisation de la jeune fille ko sa iya mata makarantun boko da kuma eh, ba da goyon baya da kuzari zuwa ga mata domin su su ne ginshiki na ilimi suke kula da yara suke kula da ganin ci a gida kenan ya kamata a ka goyon baya a waye ma al'umma kai a Nijar a waye ma mutane kai akan aje ai karatu ilimi abin ne wanda ya kamata a nema kuma ilimi shine yanzu wanda ake ci gaba da bunƙasawa don ci gaba na na ƙasa kenan abin ne wanda kamata a ba kuzari banda wannan kuma kun san kowane shekaru biyu kuma ina wani babban taro a Amurka uh, RA kilcin Niger USA da a ran reinforcing solidarity mm. tsakanin nijar da Amurka ba ba mm. shakka shi ma muna tsara shi in Allah da za a yi babban taro a New York kenan don karfafa dankon dangantaka tsakanin Amurka da kuma Niger wanda za a ci gaba da yi da farko kuma ina fatan alheri zuwa ga dukkan artist mhm. kuma ina ga fatan alheri zuwa ga dukkan lokacin al'umma baki ɗaya a kiran da zan shi ne 'yan nijar mu haɗa kanmu don shi rayuwa ta duniya haƙuri ne mm. mu sa haƙuri shine ginshiƙin mu na farko kuma mu kawo ci gaba da kuma haɗin kai na ƙasa mu zama tsintsiya matsar ɗaya ƙasan mu ƙasan mu ce kuma mu gode ma Allah ga dukkan yanayin da muka samu kanmu lokacin nan Allah zai samu mu ci gaba mu so juna mu yi zaman lahiya mu karfa danƙon dangantaka kuma a samu a zaman lahiya ina godiya ga dukkan ɗaukacin ma'aikatan nan ina godiya gare kuma ina muku fata alheri D'accord. Merci. merci d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur cette émission. C'était Hassan Boukari des États-Unis au studio Kalangu. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. C'est l'heure de notre rubrique éducation numérique. Nous recevons le responsable de notre service numérique, Ousmane Mamoudou. Avec lui aujourd'hui, nous allons explorer un outil que nous utilisons tous au quotidien, souvent même sans y penser, les moteurs de recherche. Mais que savons-nous vraiment de ces outils de ces outils incroyablement puissants qui, font, qui façonnent notre accès à l'information, Ousmane. Exactement, et ce qui me pousse à poser la première question à Ousmane. Alors Ousmane, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche alors, tout d'abord, bonjour à tous et bonne fête évidemment à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Donc, euh, les moteurs de recherche, aujourd'hui, c'est l'objet de la chronique. Donc, c'est des outils, comme l'a rappelé Rabi, qu'on utilise tous les jours, souvent sans s'en rendre compte. Alors, c'est quoi un moteur de recherche euh, c'est tout simplement un programme informatique et un logiciel comme Google, comme Bing, qui va nous aider en fait euh, à trouver des ressources en ligne en mettant souvent des recherches sous forme de mots-clés. Par exemple, euh, Niamey, euh, la nuit, par exemple, pour trouver des contenus qui parlent de Niamey la nuit. Donc, euh, ces, recherches-là sont faites à partir de mots-clés rentrés par des utilisateurs qui peuvent être vous et moi ou quelqu'un d'autre. Et donc ces moteurs-là, les plus connus sont évidemment Google et puis Bing en fin de liste. ok, mais comment ces moteurs font pour trouver du contenu en ligne alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs de recherche euh, sont alimentés euh, par ce qu'on appelle des robots. Il y a en fait des petits programmes informatiques ou des spiders, on les appelle des petites araignées en français, mhm. donc qui parcourent en fait toute la toile, tout le, tout le web et qui scannent tous les sites web qu'ils vont trouver, tous les contenus qu'ils vont trouver sur Internet. Et là, ils vont aider Google à faire une sorte d'index. Donc, vous voyez ça comme un livre derrière lequel il y a une table des matières dans tous les bouquins, il y a un index qui est là quelque part, et donc qui va vous aider à trouver facilement un contenu. Si je dois lire par exemple un bouquin de 1000 pages qui parle de la cuisine, je peux si j'ai pas envie de le lire, je pars au niveau de l'index voir la recette peut-être de cuisine qui m'intéresse. Peut-être qu'elle se trouve à la page quelque chose, 340 par exemple. Et donc, je pars la retrouver. Donc, ces petits robots-là, ils vont aider Google à classer toutes les infos qui sont sur euh, le web, tous les contenus, euh, donc pour vous aider à mieux les retrouver quand vous faites des, recherches. Et donc ces moteurs-là euh, utilisent souvent des algorithmes, on les appelle ces, petits programmes informatiques qui sont très complexes. Dans le cas de Google, par exemple, son algorithme, il s'appelle PageRank, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez partir chercher c'est quoi. Mmh. Donc c'est un algo assez euh, balèze, on va dire, <laughs> en, en, langage un peu donc, Et donc ces algos-là, ils vont prendre en compte des centaines de facteurs mhm. tels que la pertinence du contenu, mhm. euh, la qualité des sites euh, qui sont liés et même l'endroit où vous vous trouvez. Ok, est-ce qu'ils eh, eh, est qu'ils sont tous euh, pareils, ces, moteurs non, alors tous les moteurs de base, en fait, tous les moteurs de recherche, ils vont rechercher des contenus, mais ils ne vont pas rechercher la même chose. Donc, par exemple, certains moteurs comme Google sont axés sur euh, la fourniture des résultats les plus pertinents et les plus précis. Alors que d'autres comme DuckDuckGo, par exemple le petit canard là qu'on voit souvent sur les navigateurs Chrome, mhm. c'est aussi un moteur de recherche, mais lui qui va se baser, se focaliser sur la confidentialité. Ça veut dire qu'il va vous renvoyer des, euh, des résultats, mais qu'il ne va pas enregistrer toutes les recherches que vous faites. C'est un peu ce qui est reproché à Google, par exemple, le fait de collecter toutes les infos des utilisateurs. Vous avez cherché quoi, à quel moment de la journée, etc. etc. Donc lui, il va pas faire ça. Merci pour l'info. donc lui, Doug, lui, il va pas faire ça. Mais quand même, à l'heure actuelle, on va dire qu'il est un peu difficile en fait de donner un chiffre sur l'intégralité des moteurs de recherche qui existent dans le monde. Il y en a des centaines, peut-être des milliers, et chacun fait des choses. Il y en a qui font, par exemple, qui sont orientés sur l'écologie, qui vont vous donner des infos. Mais que, euh, mais, mais tout l'argent qu'ils vont gagner, par exemple, ils vont le reverser à des associations caritatives qui luttent pour euh, la protection de l'environnement, etc., etc. Mais pourquoi sont-ils souvent critiqués, ces moteurs de recherche Alors, malgré leur utilité, les moteurs de recherche sont également, font également l'objet de critiques. Par exemple, euh, certains soulignent des problèmes de confidentialité, je le disais tout à mhm. l'heure, mhm. associés à l'enregistrement de nos gestes. D'autres critiquent la façon dont ils peuvent aussi influencer notre perception du monde en mettant en avant certaines informations plutôt que d'autres. Alors aujourd'hui, l'utilisation de ces moteurs-là, il est un peu chamboulé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ah On l'a vu, ChatGPT, consort. <laughs> Donc Bing, par exemple, le moteur de recherche de Microsoft, euh, a intégré ChatGPT dans, dans, sa manière d'afficher des résultats. Et pareil pour Google, qui est en train de vouloir intégrer lui aussi son intelligence artificielle directement au niveau de Google donc Google qui fait de la recherche. Et donc cette IA-là s'appelle BARD. Ok, merci euh, infiniment, Ousmane. Ousmane, à euh, chaque fois que tu viens dans ce studio, ah on devient un peu plus high-tech. Eh. C'est <laughs> cool, hein, vraiment. On apprend des choses avec toi. Beaucoup, merci. Beaucoup <laughs> on apprend beaucoup avec lui. Merci. infiniment. Alors, euh, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Rabi. On continue avec la balade musicale de région en région. Et cette fois-ci, l'honneur revient à la région de Difa avec ce titre Yabissimila, chanté par les filles de cette même localité Difa. Ensemble, on écoute. Tschüss. avec notre correspondant Guidi Abdurrahman et au bout du fil depuis Difa. Guidi, là? Allô Allô Allô Guidi enfin. Euh, <laughs> voilà. on, on t'a eu. <laughs> On avait un petit souci avec le réseau. En tout cas. <laughs> Guide, ina kwana? lahiya lau an tashi lahiya. Lahiya lau an yi sallah lahiya ko? Alhamdulillah lahiya lau sallah ko ya wuce To barka da sallah ga mutanen difa. Barka dai barka dai gare ku dukan. Gidi daman da aka ce difa sai na tuno wata pratik da ake yi a can. Can ba a gasa rago eh. an da ake yi a ko ina ko? Bare bari ba sa nan gashe Super écologique. Hein. On, peut, on veut mm. vraiment en savoir plus. Au fait, comment ça se passe ouais, Pourquoi Pourquoi il, uh-huh. euh, il, il n'aigrit pas Oui. Bon, et kusan kawai suna su idan aka yanka za su fudda su rataye shi ne haka nan. Za a rataye shi sai kuma ya waye gari gobe sai a cira shi a a rarraba al'umma. A rarraba kuma in za a rarrabawa ba wai dole bane sai wanda baya da ko kuma wanda bai bane za ba kowa ba ma ake yi kowa ma ba ma ake ya abin ya zama to kamar ishan in ka ba eh. a kai ma kai ma ka kai kai ma kai haka ne ake yi okay eh, su wancan idan ta a soya shi a gasa shi wannan ba su yi mm. Mm. Oh. kenan yanzu ne ana yawo dai cikin garin difa dai ba a ganin wannan sharbon sharbon da ice ice kawai alhamdulillah <laughs> eh, eh wannan dai ku ne gaskiya sai wanda sun ka zo ne an ba haka ba yan gari a abin gaba da bari ba su ba sai mm, gaskiya Ben, quelle belle découverte écologique, Guidi. Merci beaucoup. On profite de cette occasion pour souhaiter encore bonne fête à toute la population de Difa qui nous suivent en ce moment. Voilà, c'était la Guidi depuis Difa. Après Difa, chers auditeurs, l'honneur revient à la cité des Armakoué pour retrouver l'orchestre Toubal de Dosso avec ce titre Yeta, dédié à la danse traditionnelle de cette région. Voilà. Nous signale, aussi, on était en train de danser. Effectivement, parce de la bonne ambiance hein, <laughs> sur cette émission. A aussi, le, au bout du fil, depuis Dosso. Bonjour, aussi. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ça, va bien, ça va. Bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à l'ensemble euh, des agents du studio Calamou. Merci, merci, Bonne fête à toi aussi, A aussi. aussi c'est comment l'ambiance à Dosso euh, l'ambiance à Dosso bat son plein, en tout cas avec euh, le partage de la viande, euh, comme vous le connaissez. Mhm. Et effectivement, cet appel m'a trouvé en pleine ville. Ah. Euh, <laughs> des enfants par-ci, par-là, sont avec euh, des, euh, comment on appelle ça, des assiettes, en tout cas des grands récipients avec lesquels ils distribuent de la viande de maison en maison. Ah oui, ça c'est super ça, ça c'est une belle tradition ça. Ah aussi, ce qu'on sait c'est que le deuxième jour de la fête de Tabaski, la salubrité c'est un peu compliqué. Hein. Comment c'est, adosso est-ce qu'après il y a des séance de salubrité pour balayer euh, tout ce qu'il y a comme déchets ah, euh, Actuellement, actuellement euh, des actions de salubrité de grande envergure ne sont pas envisagées. Je suis sûr que la mairie ne va pas faillir à cela. Mhm. Nous le souhaitons. Il y a les gens, il y a les gens en tout cas qui balaient leur la devanture de leur, maison, surtout exactement qui ramassent euh, les restes donc euh, euh, de, des débris et déchets, des débris, déchets c'est de de, la veste à dire du jour de, la fête. Mhm. Ok. Ben, super alors. On continue avec cette bonne ambiance. Auditeur, à présent, direction Maradi, euh, en voyage musicalement de région en région, la ville économique du Niger pour déguster ce morceau d'Ankasawa de Mamangalba. Hadali Zaki, Namiji, Kutunko, 1808, 1809. Gloire à toi, Dankasawa. ce fut la grande bataille. La grande bataille qui opposa le peuple Arna du Kachina à celui des peuples de chef Ousmane Fodio de Sokoto. L'aîné de Dankasawa, Magajan Haladou, s'était suicidé dans un puits parce qu'il avait perdu la bataille. Alors que son jeune frère Dankasawa n'avait que 18 ans, celui-ci jura de venger la mort de son aîné. Il rassembla les siens et se retrouva au Damagaram en exil afin de préparer sa vengeance. Maradi Dankasawa, chers auditeurs, euh, on nous signale que notre correspondant Maman est déjà au bout de la ligne. On va découvrir également comment ça se passe de l'autre côté en ce deuxième jour de la fête de Tabaski, hein, qui est dédiée au partage de la viande. Alors, Mohamed, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est comment Oui, ça va très bien. La fête, euh, ça se passe oui, la fête continue et euh, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, nous sommes au deuxième jour, jour de partage, jour de cuisson. Et euh, en tout cas, les femmes surtout euh, s'attellent à ce que la viande déjà partagée soit cuite, bien sûr, pour la conservation. Ok. Alors, euh, Mohamed, c'est comment Est-ce qu'il y a une particularité hein, qui, se fait remarquer de l'autre côté de Maradi, euh, comparativement aux années précédentes Oui, comparativement aux années précédentes, euh, cette année, c'est beaucoup plus calme. Ok. on ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de, cela, mais j'ai hmm. remarqué que même par rapport à l'année dernière, cette année, c'est vraiment plus calme. Hmm, l'ambiance n'est pas du tout électrique. Hmm, n'est pas du tout euh, comme ce que nous avons connu par le passé. Ok. Même les enfants euh, ne visitent pas beaucoup euh, les parents. Voilà, donc aïe, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais bon, c'est, vous savez, la fête de Tabaski, c'est beaucoup plus une fête de, de, travail. De travail, hein. <laughs> exactement. Contrairement à la fête de, Ramadan, Voilà, justement. Donc, après, les, les, parents et les enfants sont dans les, dans les maisons. vous savez, maladie, euh, la question sécuritaire aussi est mhm. toujours ah là. Donc euh, aujourd'hui, après euh, chaque parent et, prudent. on, fait attention, on fait attention. Mohamed, merci. Merci de nous donner des échos de maladie. la fête continue. Voilà. Exact. Alors, Merci euh, Mohamed. Euh, bonne fête à vous et à tous nos auditeurs hein, depuis Maradi. Euh, Rabi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà un ami auditeur de l'émission Le Niger sur Kalango. Tout de suite, la page sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour. La fête, ça s'est bien passé Eh oui, et surtout avec une bonne nouvelle ah pour les Nigériens amateurs du ballon Ah, la bonne nouvelle qui nous vient d'où en effet, l'équipe de football du Niger MENA U23 a joué et gagné hier son deuxième match de poule contre le Gabon, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui s'est déroulée à Tanger au Maroc. Le match s'est soldé par le score de 1 but à 0 en faveur des poulains de Zakariaou Ibrahim. Cette victoire conforte le MENA des moins de 23 ans qui s'en sort avec 4 points et premier ex avec l'Egypte devant le Mali alors que le Gabon est éliminé de la course. Après cette euh, performance de, du MENA U23, les étudiants nigériens au Maroc qui sont venus en nombre pour supporter l'équipe ont donné leurs impressions au micro de notre envoyé spécial Salamat Kadri. donc jingaro ka niyo ke Tikan, ma dai ti kan ir fu nongu moro ir ka di se son subirum ko ir ya fe ge wir de no ya wallahi to nyamay bore an kay se dai im imdi yesi se di won bale Kang, igu jo irina kirgite ya irgo labora labo dra ni irka bon je me suis déplacé pour euh, venir euh, regarder notre équipe euh, nationale du MENA et pour dire nous avons fait plus de 5 heures de route et nous avons été très surpris parce qu'ils ont été très bons sur le terrain ils ne nous ont pas déçus nous avons été très contents nous avons été satisfaits nous nous sommes bien amusés et je pense qu'il nous faut plus de moments comme ça en convivialité quand, quand on est à l'extérieur et tout et Inch'Allah la prochaine fois nous allons partir à Rabat le 1er juillet pour continuer le périple on va gagner, sinon on mange. <laughs> en tout cas, c'est nous, on mange. On dira, en tout cas, félicitations à l'équipe euh, de Niger. De l'autre côté, bien sûr. Euh. alors, merci aussi euh, à notre chroniqueur sportif, Soumana. qui nous a tout de suite proposé hein, cette bonne nouvelle. Ben Et on dira aussi merci à notre correspondante Salamatou Kadri. depuis le Maroc. Exactement. <laughs> Mhm. Voilà, oui, sinon euh, nous allons continuer avec euh, de la bonne musique. cette fois-ci sur la capitale de l'Ader, Tawa Lele Berné Ader, pour savourer ensemble avec nos auditeurs le titre Adarawa. Eh oui, à Darawa, nous sommes à Tawa actuellement. Chers auditeurs, on nous signale aussi que notre correspondant Aoussouk Abdoulaye est déjà au bout de la ligne. Bonjour. Aoussouk, bonjour. Ça, va, Ça va très bien. Super. Alors, ça se passe comment de l'autre côté de Tawa Deuxième jour de la fête. Euh, mais euh, contrairement à la fête de, Ramadan, uh-huh. les gens ne sont pas sortis le matin parce qu'ils sont épuisés hier. Ouais, c'est la fatigue. oui, avec le travail, c'est pas facile. Ouais, ouais. Bon, mais euh, c'est me rendent visite à leur famille, à leurs proches, mm -hmm. parents, amis et connaissances. Hmm, mais quand même, le partage, ça, ça continue, le partage de la viande. le, partage, ça continue, ça mhm. continue. On envoie les enfants on les euh, amenés aux proches. Hmm. Ça continue, mais les, les grands, les, les, les, les, on ne les voit pas. Ok. C'est ça la fatigue. Mhm. Est-ce qu'il est y a une particularité euh, que vous avez remarquée comparativement aux années précédentes Est-ce que cette année, il y a une particularité oui, oui, on ne voit pas les enfants dans les rues. Okay. Mhm. au. Apparemment, c'est partout. Hein. ouais, les enfants circulent moins. ok. les oui. Et dans les environs de 2 h du matin, il y a eu donc, euh, c'est pas facile de laisser les enfants sortir avec euh, ce c'est pas facile. Mm, ben, mm. merci euh, très bonne fête à toi et à toute la population de Tawa qui nous écoute en ce moment. Que nous allons décoller de Tawa pour euh, nous retrouver de l'autre côté hein, de la région du fleuve Tilaberi pour écouter ce morceau que vous êtes en train d'écouter actuellement parce que tout un petit problème technique vient de survenir pour la musique qui a été sélectionnée pour la région de Tawa. On écoute, nous sommes à Tilaberi. mu komi gama Najeriya da Nijar daidai duka. Nigeria, de Niger, euh, une chanson composée par Mahamadou Gao dans le cadre de la bonne euh, cohabitation, bonne collaboration avec le Nigeria, pays voisin. On nous signale Omarou Boubacar au bout du fil depuis Tilaberi. Omarou, bonjour. Oui, bonjour, ça va, comment vous allez Ça va super bien, Omarou, euh, Tilaberi. Comment ça se passe la fête Cette zone un peu délicate, hein côté sécurité. Exactement. En fait, dans la capitale eh ben, du fleuve, c'est comme d'habitude aujourd'hui le deuxième jour de la fête. Mhm. Donc traditionnellement, les gens sont à côté de leurs fourneaux, ils sont en train vraiment de griller. Après le fait de griller la viande, maintenant c'est le fait de tremper ça dans l'huile. Et quelques-uns aussi qui ont un peu distribué ou bien partagé la viande le matin avec un retard. Donc c'est maintenant qu'ils se rattrapent. Ok. En train de partager. Et aussi on assiste également aux uns et aux autres quelques fidèles qui n'ont pas pu égorger le ils passent au-dessus de temps en temps. Alors les fidèles continuent de leur donner des aumônes. Mais globalement, ce qui se passe actuellement, maintenant, c'est le fait de tremper dans l'huile, euh, comment s'appelle la viande qu'on a grillée hier. C'est hmm. le premier jour de la fête, donc aujourd'hui, c'est le jour encore de la deuxième viande encore. Ben, super, on profite de ce micro pour souhaiter encore très bonne fête à toute la population de Tilaberi, Omarou. Voilà, merci, merci. Chers auditeurs, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, on, voyage musicalement dans toutes les régions. On va de région en région. Et euh, cette fois-ci, on va ah, bien Avec ce nouveau, avec ce morceau, Ayabaya de Fesani Aboussa du groupe Super Husky de Zender Une façon de faire bouger tous ceux qui nous écoutent sur cette émission. Voilà. Et je vois aussi euh, de l'autre côté de la technique, ça bouge. hein, hein. Lema, bunga, up! Bunga lasta. E oui, notre correspondante est déjà en ligne. Maria Nuhu, ina kwana? An tashi lahiya. Maria. lau Mariama. An yi alhamdulillah ya wajen ku ya da magaran. Alhamdulillah kuna ta tashi da musique Ah <laughs> c'est la fête sur le Niger sur Kalangu en fait ah à notre façon voilà <laughs> en musique. <laughs> to ya rana ta sani ya ne oh. harkokin wajen zandar oh. akwai wani abu da kuke son godi

Okay. so gida da dama ma na shiga da radio da music da wane ne ana yanka nama wasu na soye wasu na rawa mm. alhamdulillah wanda kuma in ya so zuwa marece wanda suka kare aiki na samu kamar maza biyu zuwa uku a cikin gida a zanne. Mm-hmm, mm-hmm. Suna kama ma iyali aiki an kare kuma da marece a je su kuwa da magaram kallon su kuwa dawaki. To Ça, c'est bien ça. Mm. on va profiter de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toute la population du Damagaram. On poursuit en musique. Et bien sûr, euh, retour à présent parce qu'on a décollé d'Agadez. On est parti à Difa, Tilaberi, Dosso, Tawa, Maradi, Zander. Cette fois-ci, retour à présent à la RN8, Niamey, la capitale du Niger, point de chute pour boucler avec les trois guerrières du groupe euh, Soga dans ce titre Kutubo, un titre dédié à une vieille tradition nigérienne que nos parents pratiquaient hmm, trois jours après la fête de Tapaski. On, écoute. super, super. Je kiffe notre émission. Je kiffe notre émission. <laughs> On Eh oui, bon mesdames et messieurs, ça résonne depuis le studio Kalangou à travers nos radios partenaires. Alors, notre correspondant de Niamey, je crois bien, il est déjà en ligne. Kader, bonjour. Euh, bonjour, Kader. C'est comment ça va Ça fait de l'autre côté de la radio scout ah, tout va Depuis dit, c'est ça Ouais. ouais c'est depuis dit ah. et j'ai fait de passage trois maisons. Uh-huh. je vous assure que les femmes s'activent. Ah. Euh, ah c'est la hein, friture hein, de la viande. voilà, pour cuire la viande. Kader, on voudrait bien savoir, est-ce qu'il y a, y a des trucs qui sont prévus ce soir pour les jeunes Est-ce qu'il y a des fêtes Est-ce qu'il y a des concerts Qu'est-ce qui est prévu à Niamey ce soir à Niamey, comme d'habitude, il y a plusieurs concerts, que ce soit du côté du CCOG, uh-huh. du côté de, oui, au CCOG, il y a des groupes qui se sont invités. Mm-hmm. Et à part ça, même au CCFN, j'aurais appris qu'il y a beaucoup de rencontres de l'autre côté à ah, ben, va bouger. Et même à l'université, je t'informe, hein, il y aura MDM ce soir à partir de 16h à l'université. Waouh, la fête continue <laughs> jusqu'au soir, jusqu'au petit matin dans les boîtes. ça va bouger hein, au maximum. C'est ce hein. que je vous ai dit. Aujourd'hui, Niamey va bouger au rythme de la tabac. Alors, est-ce que Yadinga nos Nourou là ah, ni kan Courez Monsanto. ah ce qu'on a remarqué cette année vraiment il y a eu beaucoup de changements par rapport aux autres années ok c'est quoi le changement quand, quand, vous prenez autrefois, les gens passaient de maison en maison pour amener la viande. Ces derniers temps, ça a beaucoup changé. Ok, un peu comme dans les autres régions, il y a moins de mouvements à ce niveau. Ben, Kader, on va se dire au revoir sur ce son Koutoubo. On se dit à demain avec un autre duo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le Niger sur vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et à mes côtés, Ali Monkaila Ousseini alias Seino. Effectivement, à la technique, on avait tout simplement le grand frère Bunga la star, accompagné de la grande dame Adama Dawaki à l'édition. Ciao, ciao. Bonne fête.